le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passées de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du forum du Studio Kalangou. Studio Kalangou que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux des régions du Niger, pareil dans les localités d'Arli, de Kirozérine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filingué, Birningaure, Dolbel et Saï. Dans le forum de ce soir, nous allons parler non seulement des préparatifs du H 2017, mais aussi et surtout des difficultés rencontrées par les différentes parties prenantes à l'édition 2016, quelles sont les leçons à tirer et les mesures à prendre pour une bonne organisation de l'édition Hajj 2017. Pour discuter autour de cette question du Hajj, nous avons comme invité Elhaj Salissou Amadou, acteur de la société civile, membre du collectif Résistance citoyenne qui s'intéresse à ces questions du Hajj. Bonsoir Elhaj. Bonsoir. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et euh, Elage Hama Oumarou, secrétaire général du syndicat national des agences de, pèlerinage du Niger, Sinapen. Bonsoir Elage Omarou. Bonsoir. Et merci d'être venu. Je signale que nous avons également invité le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Koho ainsi que l'association nigérienne des, agences de, pèlerinage à pèlerinage mais ces derniers ont décliné notre invitation. Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au programme du Studio Kalangu. Ce soir, nous parlons des préparatifs du Hajj 2017. Le Hajj, c'est pour bientôt. Le mardi 21 février dernier, le comité consultatif de l'organisation du Hajj et de la Omra s'est réuni à l'effet d'examiner et d'adopter le rapport sommaire du Hajj 2016 qui fait le point sur les problèmes récurrents liés essentiellement au transport des pèlerins et à leurs conditions de vie en Arabie Saoudite. De nouvelles mesures ont été présentées, dont celles des autorités nigériennes qui demandent aux agences de, pèlerinage le paiement d'une avance d'au moins 500 000 francs par pèlerin entre le 1er mars et le 30 avril. Quant au chronogramme des activités du Hajj présenté au comité consultatif euh, de l'organisation du Hajj et de la Ombra, il va du 29 avril au 5 octobre 2017. Autre nouvelle, c'est que désormais le quota des pèlerins octroyés au Niger par l'Arabie saoudite passe à 15 891 contre 12 000 l'année passée. Pour entrer dans le vif du sujet, la réussite de l'organisation du Hajj et la Umrah au Niger reste une équation difficile à résoudre. Chaque année, les pèlerins rencontrent diverses difficultés avant, pendant et après leur départ en terre saoudienne. Entre autres, il y a des problèmes liés au prix, des problèmes liés aux inscriptions et au transport, entre autres. Je m'en vais commencer avec vous, et là je salue Amadou. Je disais que vous êtes acteur de la société civile et vous vous intéressez particulièrement à ces questions liées au Hajj. Alors, quels sont les principaux problèmes d'organisation qui restent encore vivaces dans votre mémoire Je vous remercie, je remercie d'avoir le bon Dieu de nous avoir euh, donné l'occasion aujourd'hui et de me présenter auprès de vous pour pouvoir quand même s'adresser à la, une partie de la population à travers votre micro et sans pour autant d'entrer dans le sujet. Permettez-moi de vous présenter quand même mes sincères salutations et de vous encourager parce que en fait quand on dit Kalangu en c'est quelqu'un qui fait appel. Et voilà que votre micro aujourd'hui, ça va lancer un appel qui l'un des cinq piliers de l'islam. Et à travers ça, Dieu vous donnera la récompense. Merci. Et ceci étant, je pense que ça veut dire, euh, étant donné qu'aujourd'hui, tu as en face de toi quand même quelqu'un qui le secrétaire général de l'association, ça fait plaisir. Peut-être maintenant, il allait évoquer un certain nombre de dispositifs ou du moins des problèmes qui maintenant sont rencontrés en amont et en aval. Nous, dans le cadre de notre mouvement, qui nous permettra de faire un certain nombre d'appels ça permettra de pouvoir rectifier les tirs et maintenant la portée dont eux, eux peut-être nécessaire et que maintenant par rapport, parce que nous on suit avec la population, les souffrances qu'elle endure durant toutes les années, que, en fait, vous savez, c'est, comme je dirais, c'est tout à fait normal, parce que le pèlerinage, ça, fait partie euh, d'un certain nombre euh, de problèmes, mais le problème, cest veut la différence avec l'homme et l'animal, il faut toujours rectifier, parce que quand tu vois aujourd'hui, par exemple, en face de nous, par exemple, euh, certains pays développés, en fait, et déjà l'équation, ils ont trouvé à un canevas qui lui permettra à chaque année de voir à passer à la vitesse supérieure. C'est quoi ce système Ce que maintenant, par exemple, euh, nous sommes en 2017. Les pèlerins qui maintenant vont aller en Hajj 2017, ils ont déjà payé en 2015-2016. Alors que vous voyez que ça dirait, bon, c'est tout à fait normal, c'est question euh, de programmation et c'est question d'économie aussi. Mais néanmoins, je pense que ça veut dire que c'est quoi le problème C'est que, en fait, il y a beaucoup de dispositifs, c'est en euh, cherchant à résoudre le problème qu'eux, ils ont trouvé un geste qui les permettra une fois à faire s'ouvrir la population. Mais nous, bon, c'est vrai, c'est-à-dire malheureusement, c'est quoi le problème C'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, nous, eh, c'est un domaine où maintenant tout est permis, où maintenant ça veut dire que chacun veut s'enrichir, où maintenant ça veut dire laisser aller, où l'État doit avoir euh, les regardants qui le permettra, tu as vu aujourd'hui, le désintéressement. Si, si, si, si, si, on si, on rentre dans le vif du sujet, comme là, je l'avais suggéré, réellement les difficultés principales que les pèlerins ont rencontrées euh, l'année dernière, lesquelles sont euh, encore vivaces dans votre mémoire Oui, en fait, c'est à multi, c'est Avant de situer les responsables. Voilà, c'est à multidimension. Vous savez, ça veut dire que d'abord, euh, à ce qui concerne l'acheminement, l'acheminement d'abord des pèlerins. Vous savez que chaque année, on a cette tracasserie et on a ce problème. Et que l'autre côté, ça veut dire que moins un, ça allait passer aux fiscaux. Parce que du moment que, en fait, euh, euh, euh, la compagnie, que, ils ont signé la convention qu'ils devront amener les pèlerins en, un temps record et, et compte tenu du programme qu'ils ont déjà préétabli, mais ça n'a pas été respecté. Et heureusement que, en fait, euh, ils ont été bousculés au dernier moment jusqu'à ce que, ça veut dire tout simplement, la solution a été trouvée d'une manière un peu, euh, si vous voulez, euh, légère. Bon, ça veut dire, je ne peux pas dire légère, mais ça veut dire c'était pas normal que chaque année, par exemple, il y a un problème de déplacement à ce qui concerne les pèlerins. Un. Deuxièmement, par rapport, par exemple, eux-mêmes les pèlerins. Vous savez que les pèlerins, ceux qui sont à l'intérieur, d'abord, même si tu les amènes ici, c'est un problème parce qu'il y a des gens qui maintenant peuvent passer ici deux semaines. Donc, ceux qui vont amener, par exemple, si tu veux, qui n'ont que peut-être un petit montant, qui le permettent déjà, ils, vont déjà décoller à partir ami avec zéro franc. Et ça, maintenant, aujourd'hui, c'est là où ça commence le problème. Pourquoi Ça aurait été que le calendrier qu'on les a donné, par exemple, on ne peut pas amener quelqu'un de Ningimi ici, il revient, il revient ici à, Niamey. Il va faire, je ne sais pas, trois ou euh, deux semaines, trois ou quatre semaines. Maintenant, en train de se, euh, même si en partie que, par exemple, certaines compagnies prennent un peu en charge, mais néanmoins, le problème reste entier puisque du moment que, en fait, vous savez que, c'est-à-dire, il n'avait pas programmé de venir faire un long séjour ici à Niamey. Ah. Normalement, il doit avoir une programmation continuelle et au ne sont pas aidés par les agences l'intérieur et qui permettra d'étouffer ce pas parce que dans un premier temps d'abord c'est ça qui va faire d'abord la différence d'accord nous, allons, revenir à vous nous allons revenir à vous le temps de donner la parole à notre deuxième invité qui est donc Laja euh, Amadou et, dites-nous euh, en tant que responsable secrétaire général de l'association nigérienne des agences de, pèlerinage qu'est-ce qui euh, constitue en gros la principale difficulté de l'acheminement des, pèlerins Il évoquait tantôt la question de transport. C'est quoi réellement le, grand problème à ce niveau euh, Merci. Euh, Il y avait eu des péripéties. Je, remercie d'abord le, studio Kalangu, et la radio, de me donner cette opportunité. En fait, le Hajj, c'est un autre monde qu'il faut voir. Tout celui qui n'est pas dans l'organisation, des fois, il y a des difficultés. on voit mal aujourd'hui même euh, la façon dont nos médias, la société civile, nos parlements et les autres ne maîtrisent pas l'organisation du Hajj. À un certain moment, nous, on veut faire des rencontres pour qu'on partage l'organisation des Hajj là pour qu'on puisse sauver les Hajj. Euh, le Hajj est organisé en plusieurs et en deux étapes. Il y a l'organisation d'ici et en Arabie Saoudite. Mais le principal problème de l'organisation du Hajj, c'est le transport. Pourquoi le transport Parce que au niveau de nos, nos pays, surtout dans la sous-région même, c'est le même problème. Le transport. Mais réellement, au Niger, pourquoi, pourquoi ces problèmes Parce qu'on n'a pas, de compagnie vraiment capable d'abord. Parce que moi, je fais partie du comité transport, ça fait 4 ans. Il y a eu des appels d'offres. À un certain moment, le gouvernement donne ça politiquement à des gens ce qu'ils veulent. Mais quand même, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Au niveau du transport, c'est les Saoudiens aujourd'hui qui prennent les 50%. Parce qu'ils constatent que à chaque organisation, après les Hajj, les pèlerins sont là, leur retour c'est à cause des problèmes, alors qu'ils ont exigé 50%. En dehors de ça encore, même les 50% de nos compagnies nationaux n'arrivent pas, à assumer. Par exemple, l'année 2016, euh, il y a eu une de nos compagnies qui a donné un programme sur la base de laquelle les agences ont signé leur contrat d'hébergement à Médine du 16 au 26. Alors, ils n'ont pas respecté ça. Il a fallu le premier que le premier pèlerin nigérien quitte. Et les agences là ont perdu le contrat. Ils ont, ils ont, ils ont écrit au Coho et le compagnie. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été de En dehors de ça, pire que ça, les agences ont eu à, rajouter le transport urbain qui s'appelle des chèques pèlerins là-bas. Les transport urbain. C'est juste pour vous dire les dégâts que le transport est en train de poser. Les problèmes au niveau, au niveau de l'Arabie Saoudite, on va revenir, mais pour le moment, Mais ça, c'est le problème d'ici qui, pose le problème de l'Arabie Saoudite par rapport au transport. J'ai dit, le transport, c'est pas l'Arabie Saoudite qui a le problème de transport. C'est ici, nous-mêmes. C'est ici. On dit, le transport vous allez descendre à, Médine directement. Nous sommes à la Mecque. Je, préfère que nous parlons des difficultés vécues ici d'abord avant que, les, pèlerins n'arrivent. Les, difficultés, les difficultés, nous, on a nos visas. On a nos visas. On a le programme que les compagnies nous, nous, transmettent. Et le, sur la base de laquelle on signe nos contrats. Des contrats fermes. En Arabie Saoudite, quand tu signes un contrat d'une semaine, huitième jour, quand il vient, après zéro heure, tu trouves quelqu'un dedans déjà où tu vas mettre tes pèlerins. Ça, c'est le problème aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Et le problème des transports, c'est ça notre calvaire, j'ai dit. Alors, je, veux vous proposer que nous écoutions par rapport euh, donc justement à ces problèmes de transport qui se posent très souvent. Donc, euh, l'année dernière, à plusieurs reprises, plusieurs reprises, euh, jusqu'à plus de deux fois quand le, premier vol a été reporté. Des questions de procédure et de compagnie sont notamment mises en avant. Le premier vol qui devait quitter donc le 16 août a été annulé par la compagnie Niger Airways suite à un problème technique. Je vais vous proposer de suivre Hafizou Mamman qui est chargé de communication au niveau du Kourou, qui à l'époque donnait quelques détails sur l'annulation de, ce vol. Nous étions en pleine préparation donc euh, du vol hier soir qui était prévu pour 22 euh, heures quand la compagnie, en l'occurrence Niger Airways, nous a saisis pour nous notifier que le vol ne pouvait pas avoir lieu hier pour des raisons techniques. Ils nous ont annoncé une date du 20. Ils vont nous présenter un autre programme qui va démarrer le 20. Les pèlerins, on les a expliqués, on, on leur a demandé d'être euh, sereins de prendre la chose avec philosophie, parce que c'est le Hajj, ça arrive, et que, Inch'Allah, euh, incessamment, dans les heures qui viennent, une autre annonce viendra pour leur donner la date définitive de leur départ. Nous sommes sereins, nous continuons notre euh, préparation. Nous sommes à pied d'œuvre pour que ce problème soit définitivement réglé. Pour la deuxième compagnie, en principe, il n'y a pas de problème. Vous venez là de suivre Hafizou Maman, qui est chargé de communication au niveau du COHO, et donner quelques raisons de, l'annulation du premier vol qui était prévu en août 2016. Alors, euh, El Salissou Amadou, acteur de la société civile, euh, quand euh, au dernier moment un vol est annulé, tout à l'heure vous l'avez souligné, il y a des pèlerins qui se retrouvent en train de faire des dépenses avant même de se retrouver en terre saoudienne et quelle autre difficulté cela euh, engendre au niveau de, de, ces pèlerins mais déjà, c'est à dire, comme vous l'avez dit, comme euh, on l'avait évoqué tout, à l'heure, parce que là, c'est un circuit fermé. Tu as déjà programmé que, par exemple, aujourd'hui, eh, je vais quitter Niger, je serai à, à, Médine. Donc, je vais faire eh, eh, les quelques jours à Médine et puis là-bas, je continue. Donc, c'est question de programmation. Et c'est ça, aujourd'hui, j'ai dit, mais pourquoi euh, les autres pays, et par rapport à ça de fait, ils ont trouvé un dispositif qui les permettra de voir atteigner par rapport à la population qui sont concernées par le voyage du Hajj. Mais malheureusement, nous, chaque année, c'est à l'improviste. Et on continue, de le lancer. C'est dans ce cadre, par exemple, que eux, l'organisateur, j'ai dit, ça veut dire que quelque part, il y a une défaillance. Sinon, à ça de fait, si c'est l'État, maintenant, que maintenant, en connivence avec les transporteurs, mais vous dites que non, sans, vous dites non, par rapport à ça, nous, on dit non, parce qu'il faut qu'on trouve une solution avant de continuer. Mais malheureusement, c'est quoi le problème C'est comme si, en fait, une espèce de complicité, chacun trouve son compte et puis on ferme les yeux, on continue comme ça. Mais c'est ça la différence. C'est pourquoi nous, on dit que. C'est un problème technique qui a été avancé en dernier lieu. Ah, mais c'est pourquoi ça veut dire que. Pourquoi ça veut dire Ça tient la route ou ça ne tient pas la route Ça tient pas la route. C'est pas un problème technique. C'est pas, pas, un problème. Parce que. C'est que le problème. J'ai dit, on pouvait, on pouvait atteindre à ces, à, à ces problèmes. Pourquoi Ce que maintenant, question de programmation. Par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez dit qu'on a à peu près 15 800, si je ne me trompe pas. Oui, là, c'est euh, le nouveau quota. Le nouveau quota. Donc, maintenant, l'État du Niger, en connivence avec Koho et les organisateurs du Hajj, déjà doit avoir une préparation ça, reste, je ne sais pas combien de mois aujourd'hui, 4 ou 5 mois, le, le, programme aujourd'hui pour le Hajj. Mais normalement, c'est-à-dire on devrait avoir tous ces programmes et maintenant chercher la compagnie qui va faire le transport de ces pèlerins. C'est ça, ça c'est un problème. Mais on peut très bien l'éviter. C'est ça la différence. Mais c'est que le problème, c'est-à-dire, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il n'y a pas de gens responsables. Chacun fait de ça son business. Or, quand tu fais dans tous les cas à un niveau, à un autre, que tu vas te permettre, quand on te donne une responsabilité, tu vas te permettre de faire du business, là, ce serait un problème. C'est le problème, tu as compris. C'est-à-dire, on n'a pas dit que, en fait, euh, euh, euh, il n'y a pas, chaque fois, on ne va pas dire qu'on on ne pas, pas avoir ton intérêt. Aujourd'hui, ça là, même s'il y a l'intérêt, mais il faut voir, parce que même si on les dit, les gens, on, les dit, il faut avoir peur de Dieu. D'autres là, c'est comme si on les dit, personne, vas-y, fais du mauvais côté. le Parce que tu sais, pourquoi C'est que le problème, ça veut dire que d'autres, la foi là, c'est par la bouche. C'est la différence. D'accord, nous, allons revenir, nous allons revenir. Nous retenons quand même que vous, vous, mettez l'accent sur la prévision, sur la prévision et pas la découverte du jour au, lendemain. Oui. Parce qu'on ne peut pas programmer à l'improviste comme ça. D'accord. Elaj Hamaoumarou, secrétaire général du syndicat national des agences de pèlerinage et du Vous voulez réagir euh, tout à l'heure par rapport à cette question de, de, retard lié à, l'agence nationale qui avait les 50% euh, à l'image de l'agence En fait, pourquoi je suis, je suis le concerné. Moi, j'ai perdu 36 millions à Médine l'année dernière et j'ai perdu 6 millions à, à Jeddah. C'est ce que je voulais vous expliquer. Quand on donne le programme, là, quand la compagnie vient s'asseoir, on signe le contrat entre Coho, la compagnie et les syndicats des agences. Et ils, ils, vont transmettre le programme. Le programme, là, c'est sur la base de ce programme-là qu'on signe le contrat de notre euh, arrivée à Médine. Donc, sur la base de laquelle on a signé, et du 16 au 26, là, ça n'a pas eu lieu. Jusqu'à 31. Maintenant, en dehors de ça, ils ont dit non, non, l'atterrissage, là, ce n'est plus Médine, Médine mais c'est à Donc, il faut payer un autre frais supplémentaire de transport de guides à Médine. Ça, on a payé ça encore. Et après, ils ont dit non, non, c'est à Médine encore. Et là, jusqu'à présent, on ne on, on se, on se retrouve pas dans nos droits. Ça, vous parlez de, de l'Agence nationale Airways. D'accord. On a d'ailleurs, nous, on a porté plainte. Ce que je voulais savoir dans, le contrat, dans le contrat, ce n'était pas prévu que euh, au cas eh, où. Eh, regarde, c'est pas au niveau côté, contrat qu'il y a des problèmes. Ce hein. C'est pas au niveau des écrits, c'est au niveau de l'application. Mais au niveau de l'application, en cas de non-application, de non-respect, d'une de, partie par, de, ce contrat. voilà, ce qu'il faut. Hein. Le contrat est signé, on dit, entre Coho et la compagnie. Hein. Mais en présence des représentants des agences. Nous, on part à faire et ils signent. Et c'est pour cela que quand on a perdu nos, nos, de nos on n'a pas écrit directement à, au Niger Airways, puisqu'on n'a pas un contrat qui nous lie. On écrit au Coho, Coho écrit euh, à, la compagnie. Voilà ce qui se passe. Et jusqu'à présent, personne ne sait dans quoi on est. Donc, donc ça veut dire que, pour vous dire que c'est que l'autre, les communicateurs du, du est en train de dire, vraiment, il est désespéré en cet temps. Il ne sait même pas ce qu'il avance une autre date de 20 alors qu'il n'y a rien. Le premier vol était parti le 28 août. au lieu de 16, maintenant il dit le 20. Le 20 là est passé, il n'a plus communiqué jusqu'à que le premier vol a quitté. Il n'a plus communiqué. Alors on va. la compagnie n'a pas pu et les transporteurs saoudiens ont transporté l'ensemble des pèlerins nigériens. Nous allons aborder un autre point, c'est celui des prix qui est fixé donc par le COHO en collaboration avec le ministère du Commerce et la NAP également, bien que certaines agences de pèlerinage ont. ont, ont L'Association nationale des agences de pèlerinage, bien que certaines. structures. la, les structures, oui. oui n'ont pas, n'ont pas tous adhéré à, ces prix qui est de 2 116 250 francs. Euh, un montant qui a soulevé les tollés à, à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce prix euh, est raisonnable Ce prix doit être gardé tel que ou ce prix doit être euh, revu à la baisse ou à la hausse hmm. vous savez, vous savez, nous, on a. Moi, je fais partie du, comité de structuration du prix au niveau du ministère du Commerce. En fait, nous, ce qu'on a avancé, on a dit de, de, ne pas fixer un prix. Parce que tout simplement que, aujourd'hui, si on va fixer le prix là, c'est comme si vraiment eh, il y, y, a des choses qu'on va obliger les agences à faire. Alors que côté marketing, là, tout celui qui va fixer son prix 2 millions 500, l'autre prend 2 millions. Le, pèlerin va où On a vu, c'est ont pris 2 millions 500, 2 millions 400. L'année prochaine, ils ont cheaté à 50% ou à 40%, ils ont perdu. Les gens ne font plus confiance à eux. Par exemple, l'exemple qu'il est en train de donner. Un pèlerin paysan qui quitte des, des, des DIFA il, a, il 500 000, et ça lui suffit d'aller revenir. Mais tu lui dis, de, tu prends 2 millions 500, l'autre prend 2 millions. La, la, différence est nette. Donc c'est pour cela que les 2 millions 76 250 là, moi j'ai fait partie des gens qui ont demandé de mettre ça. Parce que tout simplement, que on a constaté qu'il y a des gens qui sont en train d'abuser. Mais vous êtes d'accord qu'il y en a parmi vous, les agences de pèlerinage, qui n'étaient pas du tout d'accord C'est comme ça. Moi, j'ai dit je fais partie, que je ne suis pas d'accord. Mais le prix 2, 2, euh, euh, millions 76 000, on a dit c'est peu. 2 millions 200. On a donné, on a justifié les 2 millions 200 parce qu'il y a la charge de l'agence, l'encadrement de l'agence. S'il faut vraiment héberger les pèlerins, là où il faut, à, quelques, quelques euh, mètres de, du haram et encore les conditions de transport et tout l'encadrement est suivi là. Les encadreurs, c'est à la charge de, l'agence. Ce n'est plus comme avant, on donne les billets des encadrements. Non, tout ça, on a mis ça, on a donné 2 millions de cents Mais finalement, le ministre du Commerce a arrêté 2 76 250. Et de la pratique, qu'est-ce que vous, vous avez constaté Il y a des pas respecté ça. Mais, est-ce que, est-ce que ceux qui, avaient, qui exigeaient 2 200 000 et qui ont finalement appliqué les 2 116 000, est-ce qu'ils ont trouvé qu'ils ont perdu Mais attendez, ils vont, ils vont, ah, il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas de suivi. Ils vont dire, ils vont dire, mais après là. Cette sanction, il n'y a aucune structure où, les gens peuvent se plaindre, qui, est chargée de. c'est le pèlerin qui va se plaindre, c'est la société civile qui devrait se plaindre, mais à, ah, ah, même, euh, ils, savent très bien qu'un a pris 3 millions et 2 millions 400. Ils savent qu'un a pris 2 millions 200. Mais ils peuvent réagir, ils peuvent faire quelque chose, mais par rapport au prix, ce n'est pas, pas le prix qui est le problème. Chacun a sa propre marketing, à l'encadrement et suivi sur le terrain. Et quand tu fais ton travail très bien, et les gens vont venir. Mais on a plus de 300 agences au Niger. Il y a des agences, plus de 100 l'année dernière qui n'ont trouvé personne. Donc ça, c'est le marketing. Quelqu'un qui a 2000, quelqu'un qui a 1000. Donc euh, ce n'est pas la même chose. LAG, sali sur Amadou, cette question de, de, prix qui est appliquée pour, pour le Hajj, est-ce que vous trouvez ces prix raisonnables Déjà, quand vous parlez, il y a, il y a de l'incohérence sur toute la ligne. Quelle incohérence Dans la mesure où lui, il vient de dire par exemple, les agences n'ont pas le même prix. Et maintenant, de l'autre côté, il y a un État qui regarde et qui a un regardant par rapport à cette effet. Et vous croyez que ça, c'est normal Quand vous vous rappelez, moi, je me rappelle à l'époque, le ministre du Commerce était sorti que tout celui qui augmente un copec, il va avoir, va sentir l'État. Mais malheureusement, nous, on a un débat. On un débat. je me rappelle, ça dans, euh, dans une télévision de la place. On avait dit ça là. Ça arrive dans tous les cas, c'est une épée de l'eau pour la simple raison, ça veut dire qu'on a vu des gens même qui ont détourné l'argent des pèlerins qui sont quittés le pays. Rien n'a été fait. C'est la différence. Et tout ça, ça veut dire que c'est quoi C'est parce qu'on fait tout simplement, on a pris la population comme des moutons. On fait ce qu'on veut avec. Pour revenir par rapport à cet effet, pour un État responsable, aujourd'hui, prends la population par exemple du Nigeria, qui sont à peu près à 180 millions d'habitants. Aujourd'hui, chaque pèlerin par exemple, au nombre de pèlerins qui va quitter, euh, qui va quitter, euh, qui va en, Arabie Saoudite, même s'il n'a rien eu, il va au moins 500 000 cash qu'on va lui donner comme un perdium quand il descend de l'avion. Qui va lui donner C'est l'État du Nigeria qui débloque ce montant pour venir atteindre à la population de ces braves gens qui maintenant ça veut dire que vous savez que le Hajj ça veut dire que la difficulté est, est énorme parce que en fait il y a des gens qui par exemple Aujourd'hui, c'est avec une retraite et, euh, euh, que maintenant, ça veut dire que pendant au moins, je suis sais pas, 30 ou 40 ans, que tu vas épargner et que tu vas prendre un peu maintenant pour aller euh, faire le Hajj. D'autres, en fait, par exemple, j'ai mon grand-père, maintenant, ça veut dire que, à part surprise, j'ai dit que je l'ai payé le Hajj. Donc, il y a tellement de circonstances qui viennent se gréver autour du Hajj. Or, la question reste entière parce que quand tout à l'heure on avait, vous avez, on avait évoqué les difficultés là, les difficultés ça veut dire que j'avais cru, ça m'a fait plaisir qu'aujourd'hui en face des autorités concernées. on allait dire quatre vérités. Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, par rapport par exemple et la représentation de, la, de Koho aussi. Nous, ça a fait parce que c'est ce qu'on a fait Elles ont, elles ont fui le débat parce que dans tous les cas, ça qu'on a fait. Vous parlez de qui Vous parlez du Koho et de l'ANAP qui n'ont pas. Et de l'ANAP et de l'État. Parce que dans tous les cas, vous savez que ça après maintenant, tu vas le sentir. Maintenant, c'est un mois ou un mois et demi, tu vas le sentir maintenant dans le débat. Maintenant, on va, chacun va prendre son petit sac. Maintenant, parce que euh, l'argent pour gagner. C'est le problème, quoi. Parce que tout simplement, je, vous dis, je suis en train de vous dire que la difficulté, c'est par exemple ce sont des gens visionnaires. Ça là, j'ai dit on allait éviter un certain nombre de problèmes. Mais et cette, de question, cette question de prix, cette question de prix, c'est parce que oh. l'État, tout simplement, il s'en fout pas mal. Mais l'État a essayé, a essayé de, fixer un prix pour que justement que, voilà, ça ne parte pas dans tous les sens. à ce que j'avais dit tout à l'heure. J'ai dit, le ministre du Commerce, l'année dernière, il avait évoqué, il avait maintenu le prix. Mais malheureusement, ça dire qu'il y avait une différence de prix par rapport suivant les agences. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Donc, ce qui fait quand même l'État, c'est parce qu'en en fait, quelque part, il y a la faiblesse de l'État. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un nombre euh, incroyable d'agences de, de, Je parle des agences. Tout à l'heure, euh, euh, Haruna Hama disait qu'on on a, on plus de 300, 300 agences. Tout ça là, c'est parce que ce n'est pas organisé. C'est ça la différence. Aujourd'hui, là, ça veut dire que, je m'excuse, en fait, il y a des gens qui ne savent pas. Bon, L'organisation dans la création ou dans le fonctionnement dans la, création du fonctionnement des agences-là. C'est ça le problème, quoi. C'est que le problème, ça veut dire que, en fait, de l'autre côté, l'État a fait son, euh, euh, euh, s'appelle, son épargne pour avoir, c'est-à-dire une petite somme pour parce que, c'est qu'il ne pas dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour, pour, avoir, pour, avoir l'agrément. Non, j'arrive. Il faut, avoir, il faut, il faut, il faut d'abord poser une question de 5 millions. Regarde, pour maintenant ouvrir, où tu as vu ça là Ça là, c'est pas normal. C'est pas. Tu déposes, c'est pas une question. Mais alors, mais c'est pas normal. Tu as compris De l'autre côté, ça... j'arrive. De l'autre côté, ça veut dire que on dit qu'on fait ça là pour euh, euh, la population. Mais quelle population Plutôt le contraire, c'est-à-dire on a mis la population aujourd'hui en sans tout simplement à l'étrait comme des vaches et on fait ce qu'on veut. Mais si on dans la réalité, tout ce qu'ils sont en train de dire, ça veut dire c'est du n'importe quoi. Parce que euh, aujourd'hui, eux-mêmes, eux-mêmes, pour revenir à, à, ces gens-là, aujourd'hui, moi. Vous parlez des agences de pèlerinage. non, pour revenir, par exemple, ces gens-là, moi j'étais à la Mecque. Mais ça veut dire que. Est-ce que ça veut dire qu'il y a certains, à la partir, euh, comment ça s'appelle, des médias là, maintenant tu ne vas plus les voir. Je te l'assure. Maintenant, ça, il faut à la fin, ou vous, vous euh, allez prendre des voile, maintenant on va dire que non, non, ah voilà, tu as compris. Donc, en fait, il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de problèmes. Tant que tu n'as pas effectué les hajj pour aller voir de quoi il s'agit, maintenant il y a beaucoup de choses. Quand on te dit tu vas pas vas pas, tu C'est ça la différence. Parce que secrétaire général du SINAPEN, syndicat des agences de pèlerinage, vous voulez réagir rapidement en fait, euh, par rapport euh, à la création même des, agences, aujourd'hui, quand on constate, c'est vrai, il est, ce qu'il est en train de dire, il y a des agences, qui font vraiment laisser aller. Ils vont prendre les gens, arriver là-bas, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi. Mais quand on regarde réellement celui qui est en train de pénaliser aujourd'hui les pèlerins, c'est l'État même. L'exemple qu'il a donné du Nigeria là. Ça, c'est un exemple. Mais pour nous, ça, c'est le contraire. Regarde quand on te dit aujourd'hui, tu vas créer une banque ou tu vas créer même la compagnie qui va transporter les pèlerins. Tu payes combien Mais l'agence, on te dit, il faut payer 5 millions. Et deux ans renouvelables avec 3 millions. Avant de renouveler, on t'avertit dans six mois, avant les Hajj, il faut renouveler. Ça veut dire un an et demi. Qui est en train de d'escroquer qui Qui est en train d'arnaquer Ça permet de réduire quand même ces nombres pléthoriques. Mais, mais, mais, écoute, dans 347 agences, s'il y a 100 qui vont renouveler chaque année, 3 millions, ça fait 300 millions. vous, vous rendez compte qui est en train de bouffer l'argent des pèlerins. C'est l'État ou c'est les agences C'est une organisation. Et maintenant, pire au niveau de la restauration, qui peut-être on n'a pas évoqué. Euh, la restauration verse au niveau de, l'Arabie saoudite jusqu'à 700 rials, ce qu'ils mettent entre Moassassa et, et, et, et, les restaurateurs, ça ne dépasse pas 330-340 rials. Avant qu'on n'ait là. pas. En dehors de ça, on nous dit non, il faut rembourser. On a fait des transferts. Rial, il faut rembourser. Les agences, il faut rembourser. Même cette année, ils ont, voulu qu'on rembourse. On a dit on rembourse pas. Avant qu'on arrive précisément aux questions au niveau de, la MEC, je voudrais quand même qu'on signale euh, euh, ce nouveau système qui a été mis en place. Vous parlez d'organisation, notamment le système Gaho intégral qui permet donc l'inscription des pèlerins, un système de gestion automatisé du Hajj et de la Umrah, qui est un système utilisé en Arabie saoudite et même dans le monde entier. Ce système vise, selon le COO, la transparence et la sécurité des pèlerins. C'est l'utilisation du GAO intégral qui attribuera à la clôture des inscriptions le quota aux agences en fonction de ces inscriptions qui seront payées et validées. C'est ce matin que ce GAO a été lancé officiellement, mais pas sans difficulté. Vous étiez euh, là-bas. C'est Colo. Et Omarou, secrétaire général du Sénat. Ben, est-ce que vous pouvez euh, rapidement nous expliquer de quoi il s'agit, ce, système du, du GAO, son objectif, le système ses avantages et inconvénients C'est l'enregistrement automatique des pèlerins qui se fait par qui Par les agences Les agences au niveau du COHO. pour nous, c'est vraiment des archives qui sont en train de faire. Parce que ce n'est pas lié au massacre le, le système Massar qui est, qui le système du visa. C'est pas lié. Maintenant, c'est vraiment des systèmes, euh, c'est un système de, de, des archives. Parce que nous, pour nous, on a demandé Gaho. Mais quand on a constaté le Gaho, là, la gestion, il y a plusieurs passeports que les gens sont, surtout 2016, les gens ont mis des passeports euh, euh, expirés pour réserver des places. C'est comme le temps où on, partageait le quota. On donne à la tel on donne à l'autre 20. Donc ils ont réservé. Après, ils sont en train de vendre ça aux agences. Sœurs. Donc, à quoi ça sert le système Et deuxièmement, le système, là, normalement, quand chacun a son code, normalement, même s'il y a changement, même s'il y a changement, normalement, il y a des principes, vraiment des changements. Mais vous n'avez pas expliqué en quoi ça consiste avant de nous dire les, inconvénients. Non, en fait, nous, on trouve le système là aussi, les gens vont appliquer ça normal, c'est la transparence. Mais dans l'application qui a le Comment se fait-il que les informaticiens puisse, comment se fait-il que quelqu'un Je l'exemple de tout enregistrer un passeport de 2016 pour réserver. Je te donne l'exemple d'aujourd'hui même. Ils ont annoncé d'abord ils vont ouvrir le GAO là, le, premier, ils n'ont pas ouvert et ils ont ouvert ça aujourd'hui à 8 heures. Maintenant, à 8 heures là, quand ils ont ouvert, ce n'est pas tous les agences qui ont l'accès. Pourquoi Parce que tu ouvres, ton code ne marche pas, tu ouvres ton code marche, la dimension de photos n'est pas adoptée. Et vous pensez que... Maintenant, il faut aller vers Koho encore. Et le temps que tu vas faire vers euh, Koho, faire le va-et-vient, quelqu'un est là, il a la dimension, il a toute l'information disponible, il est en train de mettre toi et tu es en train de terrainer. Est-ce que vous pensez Et il y a des agences qui n'ont pas mis. Il y a des agences qui n'ont pas mis pour les vols régulés, parce qu'aujourd'hui, ils ont ouvert, il y a les vols charter, il y a le vol régulé. Le vol régulé, là, le vol régulé, c'est 10% sur le quota national. Les 10% sur les 15 891. Mm. Ça fait 1590. Donc, c'est plein. Ils ont ouvert 8 heures et 16h46, c'est plein. Le vol régulé, c'est fini. Il y en a plus. C'est fini. Et les gens ont leur billet en main qu'ils ont pris, ils ont payé au niveau des compagnies, il n'y a pas de place. Et, pour les difficultés que vous évoquez pour pouvoir euh, l'utiliser, pour pouvoir inscrire, est-ce que vous vous êtes rendu, est-ce que vous vous êtes rendu euh, sur place pour savoir les raisons Non, il a fallu même arrêter euh, d'arrêter le système vers midi. Vers midi 36, ils ont arrêté le système parce que là où il faut mettre l'option où il faut mettre la compagnie, il y a certaines compagnies qui n'existent pas. Il a fallu maintenant, ils ont arrêté. Compagnie ou agence compagnie transporteur. Parce que tu prends tes billets avec Air France, Air Algérie, il y a, Tunis Air qui n'existe pas. Il a fallu qu'ils ont arrêté et pour intégrer le Tunis Air. Lorsqu'ils ont arrêté, quand ça a démarré, ça n'a pas démarré sur certaines <laughs> agences. Et certaines sont en train de continuer parce que tout simplement, j'ai dit sont en train de continuer. C'est un compteur national. Tu peux ouvrir, voir tout ce que l'autre a mis tout ce qui l'autre. Tu peux imprimer savoir à telle heure, à telle, telle heure, c'est un tel qui a mis ça, un tel qui a mis ça. Et c'est bloqué mais les gens sont en train de mettre. Une réaction peut-être euh, là salissou C'est ça, c'est bien, vous, par exemple, la technologie, si on peut l'utiliser à bon escient par rapport à ce qu'il vient d'expliquer. Malheureusement, est-ce que maintenant les gens ont été préparés par rapport à cette affaire? Un. Deuxièmement, ça là, c'est pas à l'improviste qu'on les a déjà informés depuis l'année dernière. C'est pourquoi, quand j'avais parlé depuis le début, j'ai voulu dire que ça, tout ça là, nous, on prend les gens à l'improviste. Il n'y avait pas une certaine programmation parce que les gens s'en foutent pas mal de ce que vont, de ce qu'est-ce que ça va, devenir ça va, de ce que ça, ça devient ça, va venir après. Ça, la différence. Ça que ça veut dire, comme j'ai dit, les pays responsables, je l'avais évoqué au début, ils font une programmation. Ça, là, on invite les agences et on les explique. Même par ailleurs, il faut envoyer des délégués au nom des agences pour que maintenant, on les arrive à les euh, initier. Parce que c'est question de technologie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a, qui a cette la de d'où la question de formation. D'où la question de, formation, en amont, tout ça là, ça veut dire que ça, il vaut de soi. Maintenant, de l'autre côté, ça veut dire, est-ce que maintenant les sont impliqués Nous, par exemple, aujourd'hui, la nous, on vient de l'apprendre. maintenant, tout ce qu'ils sont en train de faire là, je vous l'assure, c'est parce que nous, on fait du volontariat. C'est euh, comme ça à la volée. Vous n'êtes pas informé. Mais nous, nous, avons, nous, avons, nous avons euh, informé. Nous avons, euh, comment ça être adressé. Maintenant, pour chercher, en fait, qu'une société civile. Mal informé sur les Hajj. mais, mais le problème, c'est je vous c'est pas, quelque part, c'est pas votre, c'est pas, pourquoi, c'est par, quelque part, c'est pas votre responsabilité. D'informer, c'est d'informer quand même le Parce que, il y a eu, il y a il formation, comme il a dit, il y eu, formation, soi-disant formation. Parce que c'est, de la soirée qu'ils ont appelé les gens de venir à Amir Sultan demain, il y a une formation. Vous voulez dire la veille Nous, on est parti. Vous voulez dire Non, non, non, non, non, ça fait trois jours, de, quatre jours de cela. Nous, on est parti à Mouri Sultan, on a dit, on n'a pas informé les gens. Les gens n'ont pas l'information. Sur les 347 là, il n'y a même pas 100. On n'est pas d'accord et on est sorti. On dit il faut tout le monde, informer tout le monde. La ah, formation a été annulée finalement ou ça n'a pas eu lieu non, mais il nous reste que 7 minutes alors qu'il nous reste deux autres parties euh, à, évoquer. Oui, mais c'est que le problème, bon, je ne sais pas, parce que par rapport au partage du temps, mais je ne sais pas. Parce que c'est que le problème, comme je, vous ai, je, expliqué, en fait, le problème là reste entier c'est que maintenant, ça veut dire que parce que vous ne pouvez pas prendre un sujet si délicat comme ça, et puis maintenant avons, prendre quelques minutes pour dire que vous doigt, J'arrive, j'arrive, j'arrive. Parce que c'est important, parce que vous savez, c'est un sujet sensible. Et l'autre côté, ça veut dire que fait, parce que en fait, aujourd'hui, vous avez partagé l'information, on ne partage pas l'information du Hajj à moitié. Il faut que maintenant, de l'autre côté, qu'on arrive à avoir des preuves convaincantes qui, de l'autre côté, on va dire à ça de faire, ça de faire, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau. Ça la différence. Et c'est dans ce cadre que nous, nous pensons que peut-être ces, gens va permettre un temps soit peu de décoller ou du moins d'amorcer un certain nombre de choses qui sont en train de se faire. C'est dans ce cadre que je vous dis que vraiment c'est une bonne chose. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas faire l'information du Hajj à moitié. D'accord. Et je voudrais qu'on évoque à présent les questions de, difficultés rencontrées par les pèlerins une fois au niveau de la Mecque que ce soit problème d'hébergement, que ce soit problème euh, d'hygiène, euh, qui est souvent rencontré au niveau du âge, euh, le problème d'encadrement euh, par les guides et le gros problème qui est le retour souvent qui, qui, tarde comme au départ. Bon, vous savez, en fait, aujourd'hui, par exemple, comme on l'avait évoqué, souvent, tout à l'heure, il vous a énuméré un certain nombre de choses qu'il maîtrise. On va il y des il va nous les voilà, il y a des questions, il y a des questions que même à leur niveau, ils ne maîtrisent pas. Par exemple, quand tu prends la programmation au niveau de la mec, maintenant, par exemple, ça si tu veux, c'est <laughs> un monde vaste parce que ça c'est des milliers. Donc, ce qui fait que c'est question d'hygiène, de circuiter, mais néanmoins, en fait, il y a des, eh, comment eh, des niveaux, comment on l'appelle, BIP, tout ça là. Mais néanmoins, ça veut dire que c'est quoi le problème Le problème, c'est que, comme je, je, je vous l'avoue, en fait, on pouvait éviter un certain nombre de difficultés qu'on rencontre parce que Aujourd'hui, ça fait des années qu'on est en train de faire le Hajj. Les autres pays, quand tu vois. C'est quoi ces problèmes qu'on ne maîtrise pas encore Voilà. Par exemple, aujourd'hui. Deux, deux, exemples. Par exemple, l'exemple que tu avais parlé de, restauration là. Auparavant, c'est. On, a laissé aller les pèlerins du Niger. Maintenant, tu te débrouilles. Arrivé là-bas. D'autres pays, maintenant, c'est une restauration unique à n'importe quel À, un heure bien déterminée. Et à un, à, un endroit chic. Est-ce que tu as compris Tout ça, là, c'est quoi le problème Ces questions d'organisation, ce n'est pas question de moyens. Il y a les moyens, les juste moyens bref, Mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a question, quand on veut, on peut. Mais malheureusement, ça veut dire que les gens mettent en tête que non, ça là, je vais, parce que simplement, tu mets en tête que tu pardonnes, que tu ne veux pas. Tu as compris le problème C'est que l'autre côté, eux, ça aurait été une coalition. Et les problèmes Il y a une coalition au niveau d'eux. Ils peuvent prendre aujourd'hui des hôtels et qu'ils ils peuvent aménager ils peuvent amener des restaurateurs qui maintenant qu'on peut aménager un temps soit peu ces pèlerins, à, un peu atténuer leur souffrance. Le problème d'encadrement Non, au niveau de, au niveau au niveau de, Au niveau d'encadrement là, ça veut dire que c'est pas facile parce que aujourd'hui là, tu vas voir par exemple là, le gars il a à peu près 10, euh, je sais pas, 3000 ou 2000 pèlerins, tu vas le voir avec je sais pas 3 ou 4 guides, c'est pas possible. Il ne peut pas. Ça, c'est clair. Parce que j'ai vu. Ça veut dire que. Elle a, elle a Jama. Elle a Oui, ici, na peine. Oui, oui. en, fait, en fait, ça, c'est. Mais des ici, c'est bien organisé. Chaque 50 encadreurs et chaque 50 pèlerins, un encadreur. Hein. Ça, c'est. Quand on a 300 pèlerins, on doit avoir. 6 euh, encadreurs. Hmm? Donc, ça, c'est clair. Et c'est bien respecté. Bon. Et vous euh, pensez que ce nombre est suffisant Non, c'est respecté sur le papier. Maintenant, sur le terrain, sur le terrain, ça, c'est notre euh, euh, débat. Parce que chaque agence a sa manière de faire l'encadrement. Mais par rapport à, l'encadrement, j'ai dit, nous, ce n'est pas un problème d'encadrement aujourd'hui. Le transport qui nous fatigue, c'est le transport qui, qui, qui, gâte tout. deuxièmement, par rapport à comportement même de nos pèlerins aussi, quand ils regardent Amina là où les pèlerins nigériens restent là, mm. vraiment, il n'y a pas d'hygiène. On fait tout. les mais... encadreurs, on fait tout. Les, les, mais les pèlerins nigériens, vraiment, sont sales. Ils refusent l'abolition sur là où ils sont. Mais est-ce que réellement vous, vous menez des, activités en amont avant de se retrouver là-bas, des activités de, sensibilisation Nous, on a commencé les formation depuis, depuis février. On a commencé jusqu'au Hajj. Tout ça là, ça fait partie. Mais rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, pour ne plus revivre les situations de, frustration des pèlerins en trois, en, trois mots des solutions magiques. Vraiment, vraiment, le, Coho, le, le doit nous vraiment coller la paix par rapport à certains rôles et pour surtout les transports aussi. Ils n'ont qu'à vraiment, vraiment organiser les transports à temps. Il y a le chronogramme qui dit qu'à partir du 14 avril, ils peuvent avoir l'autorisation des solotes là-bas, mais ils ne font pas ça. Ils laissent ça jusqu'à après le carême. Ça, c'est pas bon. Donc, les transports seulement que nous, on veut, puisque cette année-là, ils le vont de prendre Gao, seulement. ça le système de Gao, on ne peut pas, pas d'amélioration. Ça vient d'ouvrir à 8h et c'est fermé 16h sur les vols réguliers. Les vols charter, on va continuer. Elage Salissou, euh, Amadou, rapidement, en 15 secondes. En 15 secondes, la solution, elle peut trouver. n'est pas un miracle. Ça, c'est d'abord un. Et c'est un truc euh, qui, maintenant, va prendre un certain nombre de temps. Parce que il y a beaucoup de choses à rectifier. Ça, c'est d'abord un. À ce qui concerne la programmation, à ce qui concerne l'hygiène, à ce qui concerne l'encadrement, à ce qui concerne l'État, doit être responsable du L'État doit être responsable. L'État doit être responsable. C'est sur ça. L'État doit être responsable. C'est sur ce mot que nous allons concourir parce qu'il est 18 h passé de 59 euh, minutes. Nous étions en compagnie de El Haji Salisu Amadou, acteur de la société civile, membre du collectif Résistance Citoyenne, et El Haji Hamma Oumarou, secrétaire général du syndicat national des agences de pèlerinage du Niger. Bonsoir.